Nous l'avons fait, cet examen, avec des représentants des candidats, euh, des candidats Macky Sall, Idriss Sek, Ousmane Sonko, Madi Kenyan et Elagisal. Jusqu'à hier, nous avons bouclé le recensement des procès-verbaux qui nous sont parvenus, qui, provenaient du, des commissions départementales de recensement. Il nous restait quelques bureaux de vote que les commissions de l'étranger n'avaient pas encore au moment de clôturer. C'est ce qui a retardé un peu notre intervention euh, actuelle, parce que simplement il nous fallait collecter encore des renseignements venant de l'étranger pour ne négliger, en tout cas pour ne laisser en rade aucun vote, aucun suffrage exprimé par les Sénégalais, les citoyens sénégalais. Nous l'avons fait et euh, je pense que, sauf peut-être deux bureaux de Port-Gentil euh, et quelques autres bureaux d'Italie, nous avons pu tout recenser. Et c'est pour cette raison maintenant que nous sommes en mesure d'aller vers la proclamation provisoire des résultats. Alors, autour de moi, vous avez tous les représentants des candidats, à savoir la coalition Ousmane Sonko 2019, la coalition Macky Sall 2019, la coalition Pur Sang, Elage Sall, la coalition Madi Kenyan, Madame Traoré qui représentait jusqu'à hier, à la fin de notre recensement, le candidat Idriss Sek, Idriss 2019, ne s'est pas présenté ce matin. À l'exception de Mme Traoré, tous les candidats ont signé le procès verbal, même si les représentants de IDI 2019, de, de Sonko 2019 et du, PUR et de Modi Kenyan ont joint, comme la loi le veut, des observations écrites euh, pour soulever des griefs tenant à l'organisation, à la marche des bureaux, euh, au déroulement du scrutin dans les différentes localités du Sénégal, et ça c'est à l'endroit du Conseil constitutionnel. Comme le, veut la loi, nous sommes tenus d'annexer ces observations au procès verbal qui est destiné à transférer notre saisine à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Je m'en vais maintenant procéder à la proclamation provisoire des résultats. Et je voudrais partir du nombre d'électeurs inscrits, qui était de 6 683 043. Nombre de votants, 4 millions 426 344. Nombre de bulletins nuls 42 465. Nombre de suffrages valablement exprimés 4 383 879. Répartis comme suit. Macky Sall 2 millions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

E ñi ñi ñi jàppoon ne ñoo war a wote ci Sénégal ren mooy juróom benni million juróom ak juróom benni téeméer juróom ñett juróom ñett fukk ak ñett ak ñeent fukk ak ñett ñi wote ñeenti junni ak ñeenti téeméer

Euh, bulletin yi nga xam ni nii waaw ah oui on me dit même est-ce que c'est c'est nécessaire waaw dama doon wax ci parce que euh, dama anticiper un peu sur les chiffres sunu délibération yi jaar na ci yoon ndax bi ñu duggee ci salle bi muy talaata ba tey amuñu benn jafe-jafe s'il vous plaît s'il vous plaît amuñu benn jafe-jafe ci sunu diggante boo xam ne nii jàmmaarloo nañu mbaa indil nañu waroo PV yi ñu recensé yépp muy juróom fukk ak ñett muy yu Sénégal ak yu bitim réew yu senegal ak bitim réew jaar na ci yoon lu dul nii dafa am ay chiffres yu ñu redressé amul lu ñu annulé amul loo xam ne nii waroo nañ ci donc loolu lépp jàll na

parce bi ñuy pare ñoom demee démb ci alarba euh, ci ci midi yooyu bureau ñëwagul muy bureau yu jóge Côte d'Ivoire muy bureau yu jóge Italie muy bureau yu Espagne ak feneen mais yàlla def na ci jàmm ñun xaar nañ ko ba liñ ci war a jot yëpp jot nañ ci lu bëri loolu moo taxoon tey ñu teel a ñu yeex a ñëw ci salle bi comme ni ko waxee woon mais loolu lépp yàlla def na mu yemb ah tey ci suba noté nañu ni candidat Idy 2019 bi ko ko fi teewaloon muy madame Traoré gisuñu ko xamuñu nag lan moo tax wante tudul loolu candidat Macky Sall ñi ko fi teewal ñu ngi fi candidat isa Sall ñi ko fi teewal ñaar lañ ñu ngi fi candidat Sonko ko fi teewal ñu ngi fi candidat Madické ñi ko fi teewal ñu ngi fi Sénat aussi nga xam ne mënuñoo def dara te teewu ko ndawam a ngi nii toog

voilà les chiffres maintenant légui nak ñi doon jongante ngeen bal ma wax ko ci tubaab chiffres yi li ñu tënkoon ci ci fichier bi moy 6 millions 683 043, ñoñu 4 millions 426 343 44 dem nañ woté ji ñi nga xamni ni seen wote nanguwuñ ko ndax dafa dafa dafa am lu ci lu ko rëkkal

533 buñ ko Nous muy 4 ñi demone ci at euh, jongante bi pour sanni seen xob bari nañu comme ni ma ko sénégalais yu bari ci fii ak bitim réew dem nañu ak takku wote ñi wote ñëpp 66,23 taux de participation boo xam ni bu dee amit en maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ji ñu ngi koy saraat merci beaucoup